il va enfreindre les lois de ce pays piétiner la constitution piétiner le code électoral Y a ce décret là tu conseil ce hmm. cours suprême hmm, ñoo xam mais ñun cour suprême la il faut que vous déclarez le PDS que irrecevable sur cette requête parce qu'ils n'ont pas intérêt à agir alors si le il faut respecter nos lois hmm, le PDS n'a pas, intérêt à agir. Il faut rejeter le document là le vendredi. Hmm. Il faut que la Cour suprême déclare, déclare irrecevable donc ce recours-là. Hmm. alors c'est exactement li nga xam cour suprême de ko def li audience publique nous avons ko que li avons dit euh, le euh, vendredi nous euh, avons di que li justement le 16 mars 2023 15, jàpp tam li nga xamné que modi cour suprême mi ngi autorisé ki nga xamné que modi euh, Karim Ward et compagnie a assigné les parties à l'audience euh, de référé du vendredi 15 mars ma kon nag na li nga xam nekk moo Karim Wade ak li nga xamné que modi compagnie euh, pour ni daal di indi ay parties nga xam ne ñoo leen ni ki nga xamné que modi bobu di audience alors la cour suprême mi ngi daal di li nga xamné que modi front

xam ne itam ñeel na si wàllu woowu noonu ñi nga xam ne itam ñoo ko fas yéene daal di war a mën a fekkee euh, euh, daal di koy euh, jaarale si nga xam ne que moo di article 83 bu loi organique bi na xam ne itam 2022 du 16 wala comme du 23 mai 2022 la nga ko daal di voté exactement modifiant modifiant la loi organique euh, bu li nga xam nekk mu suprême alors euh, ma ne nag ñu si ëpp sénégalais yi itam Arfan jamono ji ñi ngi tiit commentaire yi sax gars ñi ngi jàpp ni euh, exemple Fallou Keita nee na mm, je crois que la loi mm, boobu noonu dina daal di jàll si fa nga xam ne itam mooy suprême te itam après dina compliquer exactement les choses Arfan quoi qu'on puisse sûr. Fallou dama ne sénégalais yi amatuñu si parce que cour suprême euh, euh, génne na euh, li nga décision ne cour suprême warul recevoir cette cette cette ce comment ce recours là. waru hmm. ko recevoir. Hmm. waru ko recevoir il faut respecter les Sénégalais les Sénégalais il faut respecter aussi la constitution. La Cour suprême n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Il faut qu'ils arrêtent de confronter les institutions majeures de justice. Il faut que nous arrêtions, nous baillions. Il faut que nous baillions. Maintenant, supposer que la Cour suprême annule le décret. Ce n'est pas la décision de du Conseil constitutionnel Cour suprême, hmm. mais le décret présidentiel. Hmm. Maintenant, si la, cour, si la Cour suprême annule le décret, moi, am carence, date élection, et que dans la foulée, le conseil concernant japon a date du 31 mars Légui, l'homme, lu mu dans ce cas que le cours suprême annulé ce décret là du 24 hmm, mars C'est une am bena ancienne date bu fi nekk conseil concernant mon le 31 mars dans ce cas de figure lan la non le 31 euh, mars euh, ça n'existe plus. D'abord dama ne boo exister trois fois. c'est-à-dire que carence bulletin yi 24 mars mu si nekk. dama ne carence. carence. Hmm. bulletin yi 24 mars mu si nekk. carence ci date bi laa wax. ok carence mais moo tax mu ne le 31. dafa exister tout. dama conseil constitutionnel d'accord le 24 bi. on va pas accepter. ok pour qu'on vit une chose boo xamante ne mosuñu ko dund au Sénégal un vide juridique président de la République dem Watch, sans élection il faut que la Cour suprême bàyyi xel ci loolu. la cour suprême war na bàyyi ci xel ci loxo bàyyi xel ci loolu wu ñu am un vide juridique. avant ah maa ngi dégg si texte yi ñu ne texte yi texte yi pas situation du moment mais texte yi ñu ne suñ sukkandiku si texte yi lu ni mel dénk ko li na xam ne que moo di nangul Karim Wade. parce que 80 jours avant le scrutin respecté ou ko waaye itam arfan aussi leneen li mooy li nga que euh, justement euh, par rapport à li nga xam ne que euh, date campagne bi temps bi étant d'autres étant d'autres si texte yi ñu ne suñu ko suprême risque justement d'approuver ki n'a jamais que moo di Karim Wade. dama les textes bi ngeen wax il faut que les gens c'est-à-dire que il y a des confusions Sénégal arfan confusion la ñuy au niveau de la chaîne Il y a Karim Wade a raison m'a dit est-ce que pourtant quand Ndiaga parlait ci nomination de de de de des équipes de l'équipe de la Sénat. Mm. bu mu dire bu ñu politiciens des responsables politiques. Mm. loi bi mm. normalement l'équipe équipe Sénat warul am un engagé dans une autre institution. une une personne qui il est membre d'un parti politique il fait de la politique pour un cas pourtant à Fall bu bu bu bu kii bu hmm. bokk na ci équipe bobu loi hmm. lu mu prévoir du lolu pourtant quand Ndiaga Sylla Ndiaga Sylla avait raison bu mu yóbbee ce recours là au niveau de la cour suprême dañ ko il n'a pas intérêt à agir même si le PDS a raison supposé que le PDS a raison mais est-ce que le PDS a intérêt à agir Montre. il y a des questions à se poser il faut que les gens nous bëgg gis nga xel sénégalais la ñu le lëndëmal Maintenant, si on dit qu'ils n'ont pas respecté le délai des 80 jours, si, doit, si, on doit faire un recours, mais il faut le faire au niveau du Conseil constitutionnel. Hmm. Si on doit, on n'a pas respecté quelque part le délai des 80 jours, parce que d'ailleurs, il y a une loi mm. Maintenant, prendre, prenez ce décret-là et allez faire recours au niveau du Conseil euh, constitutionnel. Def une précision, Arfan, modifiant l'article euh, L24, il est compétent pour porter le Il est compétent elle est compétente déedéet déedéet xaaral ñu ñëwaat si communiqué euh, bu li nga que di hmm. ils sont entrés aujourd'hui de confronter des institutions de de justice hmm. des institutions yoo xamante ne gis nga ces précédents dangereux yi nekk di créer dans ce pays hmm. gis nga ces précédent dangereux yi nekk di créer dans ce pays Karim Wade et compagnie dinañu d'abattre encore si kanam parce que quand ils ont créé des précédents dangereux dans l'affaire de Ousmane Sonko Mm. et, et, et, et mm. comment mm. euh, euh, l'agent judiciaire de l'État du mm. Sénégal, a à Ziguinchor, la décision de justice qui a été rendue, nous avons nous respecter. affaire continue de là Parce que précédent dangereux, ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas voulu régler cette situation. Moi, bataille, ay nit ñeme di jiñ ay magistrats de corrompus publiquement sans preuve ces mêmes personnes continuent encore de dire oui, d'ailleurs attaquer un décret présidentiel parce qu'ils mm. mm. n'ont pas respecté le délai des 80 jours. Maintenant, s'ils ils n'ont pas respecté le délai des 80 jours, s'il faut attaquer ce décret-là, il faut l'amener au Conseil constitutionnel. Mm. Parce que tous les décrets électoraux ont été amenés au niveau du Conseil constitutionnel. tous les décrets laa la wax yi ñu jàpp ni que bii baaxul suñu élection suñu constitution waxul li en matière électorale yëpp si conseil constitutionnel lañ ko yóbbu pourquoi tey ñoom ñu yóbbu ko cour suprême pourquoi tey ñu yóbbu ko cour suprême mooy maanaam pour jaxase jaxase moo leen tax ñu kii c'est ça la réalité une Fall alors donc Milan ngi doon Arfan il ni itam euh, li nga xam que moo di euh, pour ces euh, motifs ki nga que Karim Meïssa Wade salut Jean, Maguette Sy Mayor Faye ñoo ñoo assigné assigner les parties à l'audience bi à xam

Euh, le conseil constitutionnel aussi approuvé peut-être wàllu woowu non mën nañ ni élection yi mën nañ ko ajaniwaat. ama ah, sank da nga doon le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. parce hmm. que fast track fast track nañ ko dé voilà vite fait ñu taxaw aussi. oui vite fait. mais ana rabat de Sonko mais ana rabat de Sonko voilà hein. loolu laa la wax. hmm tax mané la on en a tout vu au Sénégal Karim Wade ak ñu nekk ci ginnaawam dañu am doolé quelque part, c'est le système qui est là contre l'antisystème. Parce que le Conseil constitutionnel a validé des candidats, ils que qu'ils sont des candidats anti-système. Mm. Moi, le système n'est pas d'accord. C'est ça la réalité au Sénégal. C'est le système qui n'est pas d'accord. C'est quoi le système C'est les candidats, la candidature. C'est le système qui n'est pas d'accord. contre certains candidatures yoo xamante ne conseil constitutionnel daf ko jàllale te munuñ ci dara ñoom bu ñu mënoon seen bëgg-bëgg mooy maanaam candidature yooyu déclaré ni que c'est des candidats anti système ñu bañ a jàll comme conseil constitutionnel amul woon alibi bu mu mën a rejeter ces candidats là mu jàllale candidature yooyu moo tax ñoom ñu taxaw système bi bloc dina am. élection do fi mais parce que ñom dañu japp ni que élection bu naré am ki koy ku koy ku koy ku koy wuutu Macky Sall ku koy remporter. Mm. na doon koo xamante dafa bok ci système bi. Mm. ñom seen bëgg-bëgg lool la il faut arrêter le Sénégal n'appartient pas à personne le Sénégal n'appartient pas au PDS ni à Ablaye ni à Macky ni à Ousmane Sonko ni à personne le Sénégal n'appartient à personne il faut que ñu xam ko. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Sénégal, alors c'est clair, Il faut respecter les lois de ce pays. d'accord, c'est hmm. C'est comme si au Sénégal, il y a des personnes qui sont au-dessus des lois. ils peuvent manipuler les lois, ça y sauver. Ils peuvent manipuler les lois, Au Sénégal, il y a des gens comme ça. Malheureusement, les gens ne le disent pas. Au Sénégal, il y a des gens qui sont super au-dessus des lois. Ils peuvent manipuler les lois là comme ils veulent. Tant que les lois sont favorables, ils peuvent manipuler les lois comme ça. Hmm. Aujourd'hui, tu me dis le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais pourtant, c'est le cas. Le PDS a donné... Ça dit que d'abord, le PDS, qu'est-ce qu'il a fait il espace de trois, trois semaines. Hmm. Trois semaines, ce n'est même pas un mois dafa créer lu commission d'enquête parlementaire au sein de l'Assemblée nationale le PDS dafa créer lu dem ba Assemblée nationale jaxase fa créer fa imposer fa une commande une commission d'enquête ñu ne dit waay mu jallale ci Assemblée nationale bobu une loi anticonstitutionnelle c'est le même PDS de espace de trois trois semaines PDS boobu ñu dem dem dem conseil constitutionnel ne ko lolu du fi amé parce que li nga duggal li li nga def li yëpp c'est anti anticonstitutionnel mu ne ko paré guma dé PDS né conseil constitutionnel paré guma dé mu jël décret bobu hmm. décret Macky Sall bi bu fixer élection yi pour euh, euh, le 24 bi ni bu ñu dembal PDS comme dafa né conseil constitutionnel paré guma ci yow mu jël ce décret là même pas 3 semaines mu yóbbu ko encore ci benen bancasse de justice pour confronter les deux les ñaari bancasse yoyu c'est le PDS qui l'a fait. Hmm au Sénégal Goulette moham au Sénégal sur un parti politique Quand mon nekk ci PDS pourquoi PDS continue de jouer le sale boulot dans ce pays